Fidèles auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et de cette télévision partenaire du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets qui ont retenu notre attention sont d'abord le début de la campagne électorale pour les élections législatives partielles de la diaspora du 18 juin prochain. Ensuite, nous parlerons de l'investiture euh, lundi dernier du nouveau président élu de la République fédérale du Nigeria, Ahmed Tinubu. Enfin, nous terminerons avec euh, les préparatifs du Hajj 2023 dont le premier vol charter en terre sainte de l'islam est prévu pour le samedi 3 juin prochain. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir euh, les confrères Issa Madougou, journaliste indépendant, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Maïmoune Gado, également journaliste indépendante à la modération du Forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Dégis. Comme annoncé, nous débutons le forum de la presse de ce soir avec les préparatifs des élections législatives partielles de la 9e région Prévu pour euh, le 18 juin prochain la campagne électorale euh, de ces élections visant à élire les cinq sièges restants de la diaspora nigérienne à l'Assemblée nationale a débuté dimanche dernier à minuit heure de Niamey. Reporté en raison de la pandémie de Covid-19 qui n'avait pas permis l'enrôlement biométrique des Nigériens de l'extérieur lors des élections générales de 2020-2021. Ces élections auront lieu dans 15 pays. Un peu plus de 227 000 électeurs sont attendus aux urnes. Dans un arrêt en date du 11 mai, la Cour constitutionnelle a déclaré éligibles les candidats titulaire et suppléant, issu de 10 listes électorales sur 15 listes qui lui avaient été transmises par le ministère de l'Intérieur. Issa Madrou, quelle est l'ambiance de cette campagne débutée dimanche dernier Merci Michel. Euh, étant loin des, des, théâtres, des événements qui marquent la campagne de ces élections, je ne peux pas dire euh, réellement ce qui se passe sur le terrain, mais globalement, ce qu'on peut faire comme commentaire par rapport euh, à l'aboutissement ou bien la mise en œuvre de ce processus, c'est que euh, c'est le lieu aussi de, féliciter la CENI parce que lors des, séances électorales passées, la CENI avait vraiment promis, tant que la situation le permettra, ces élections seront organisées. Mmh. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu de féliciter euh, la CENI parce qu'ils ont tenu vraiment euh, la promesse et que ces Nigériens de l'extérieur aujourd'hui sont appelés aux urnes pour élire leurs cinq représentants. Donc ça émane de la volonté de la CENI et, des, autorités également. Mm, mm. Donc moi je pense que c'est le premier point qu'on peut dire euh, là-dedans. Euh, ah, autre chose qu'on peut aussi, c'est que euh, les Nigériens également de la diaspora qui se sont inscrits, c'est 227 000, un peu plus de 227 000 et mm, quelques, électeurs de se mobiliser pour euh, choisir librement leurs euh, représentants qui vont siéger au sein de l'Assemblée nationale et faire mhm. valoir euh, leurs priorités dans le processus de vote de loi et aussi de porter haut leur voix dans la vie de la nation, les projets qui concernent notre pays, la bonne mhm. marche des institutions. Donc moi je pense que c'est euh, les deux premiers points sur lesquels euh, je peux me permettre de me prononcer pour le moment. Au mhm. ça, on l'a rappelé, il s'agit de 15 pays. les 12 sont en Afrique. Nous avons également la France, la Belgique, mais également les États-Unis d'Amérique. Est-ce que les Nigériens de l'extérieur sont euh, très mobilisés pour accueillir ce scrutin du 18 juin prochain D'abord, d'abord, moi je considère que personnellement, mhm. personnellement, l'assemblée qu'on a actuellement là, on est à mi-mandat, n'est-ce pas Deux ans plus qui sont là. Je ne vois pas l'utilité. Et c'est ma position personnelle. Je ne vois pas l'utilité de vouloir faire des élections pour faire venir cinq bonhommes qui vont venir s'ajouter à ceux qui sont déjà là, qui ne donnent pas satisfaction aux citoyens. Mhm. Ça va changer quoi dans la vie de la nation C'est la loi qui a prévu Quelle la loi, organique il y a beaucoup de, choses que la loi, y a beaucoup de choses que la loi a prévues. Il y a beaucoup de choses. À la hausse ah non, moi je vais dire, il y a beaucoup de choses mhm. plus importantes que la loi a prévues qui ne sont pas appliquées, mhm. qui ne sont pas mises en œuvre. Alors pourquoi on fait cet empressement-là On veut montrer que non, moi j'ai dit quelque part, vraiment quelque part, pour moi c'est un gâchis on aurait pu faire l'économie et attendre les prochaines élections pour prendre les dispositions afin que les, Nigènes de la diaspora puissent avoir leurs représentants. Sinon, je ne vois pas à cette étape-là qu'on amène cinq personnes qui vont chercher faire la même chose. Chambre d'enregistrement, caisse de résonance, ça va changer quoi dans la vie des citoyens Alors, on est là, hein, il y a des problèmes, il y a des préoccupations. Ils ont défendu quelles préoccupations des citoyens Ceux-là là, qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont défendu Ils sont d'ailleurs complices souvent par rapport à certaines politiques publiques qui, rendent la vie difficile aux citoyens parce qu'ils sont incapables de dire à l'exécutif. Non. N'est-ce pas hmm. Alors, moi j'ai dit un parlement, le rôle d'un parlement, c'est de faire l'équilibre. Quand l'exécutif veut faire passer des choses qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens, que le parlement puisse dire au gouvernement non, ça ne hmm. passe pas. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui hmm. Est-ce que c'est le cas On a comme l'impression qu'ils sont là pour leurs intérêts personnels n'est-ce pas Alors, quand on me parle qu'il y a cinq bonhommes qu'on va élire dans 15 pays ou quelque chose comme ça, mais ça, ça, va, ça va changer quoi dans le quotidien des Nigériens Issa Madougou a souligné le fait que la CENI avait promis que lorsque les conditions vont être mais réunies. Non, moi je vais dire, moi je vais dire, je vais d'un constat. législatif Non. Euh, oui, mais moi je vais d'un constat. Je vais d'un constat. L'Assemblée nationale, les députés qui sont là actuellement, ils ont déjà deux ans et plus qui sont là, n'est-ce pas mhm. Un peu plus de deux ans. Ok, un peu plus de deux ans. Alors, un peu plus de deux ans, on va faire venir cinq personnes. Les cinq là, ils vont changer quoi mhm. quand ils vont venir chez eux Absolument rien du tout. Et l'autre mhm. préoccupation, bon, ils vont venir, ils seront là à mi-mandat. Comment ça va se passer à la fin du mandat là On va considérer que eux, ils vont prolonger parce qu'ils ont deux ans de retard c'est le juge électoral qui tranche, hein, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui organise euh, tout ce qui est attrait à la Constitution. On demande l'avis de la Cour constitutionnelle. Moi, je veux d'un principe. moi, je vais d'un principe. Moi, mhm. vous savez, ces institutions-là, ces institutions-là, n'est-ce pas mhm. Le tout n'est pas de les mettre en place. Encore faudrait-il qu'elles jouent efficacement leur rôle. Mhm. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Je dis non. C'est juste une institution de représentation qui est là, figurante c'est ma, conviction profonde. Euh, on n'a pas l'impression qu'il est là pour, défendre les intérêts du peuple, n'est-ce pas Parce que quand les gens viennent avec déjà des positions figées, que moi je suis de la majorité, je suis... Non, une fois qu'on rentre au Parlement, on est là pour les citoyens. Même quand c'est mon gouvernement qui pose des actes qui sont qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens, je suis à mesure, je suis, je dois être à mesure de dire non. Ça ne peut pas passer. Est-ce que c'est le cas qu'on est en train de vivre aujourd'hui Maïmouna, est-ce que vous trouvez un peu d'enjeux ou disons selon vous quels sont les enjeux euh, de ces élections législatives euh, partielles de la 9e région Ce que moi je pourrais dire pour euh, ce qui est la 9e région, hum. tu viens de, le dire à l'instant que c'est pour se conformer. On doit se conformer, c'est tout. Hum. C'est donc il faut amener ces cinq députés parce qu'ils n'ont pas pu siéger au moment où euh, les élections euh, législatives se sont déroulées pour cause de Covid-19. Je l'ai bien souligné. maintenant, pourquoi est-ce que on, il, faut, il faut les amener aussi Je viens de le dire à l'instant. Mais maintenant, si ces cinq députés, moi je pense que ces cinq députés, s'ils arrivent à l'Assemblée nationale, ça peut, parce que ce sont les porte-voix de ces Nigériens qui sont à l'extérieur. De la diaspora. De la diaspora. Donc, ça veut dire qu'au même pied d'égalité que nous, nous serons informés de tout ce qui se passe ici au Niger, ils ont le droit également d'être <coughs> informés parce que la majorité d'informations d'informations qui, leur viennent, c'est mhm. à travers les réseaux sociaux. Mhm. Donc, deuxièmement, moi je pense aussi que... C'est vrai, Maimouna, pendant les périodes d'intercession, il est recommandé aux députés d'aller dans oh, les oh, zones oh, où ils ont été élus, même au plan national. Mais même au plan national, on dit, mais ça, ne se fait pas, ça ne se mm. fait pas, ça Il y a d'autres députés qui n'ont jamais mis pied mm. là où ils ont été élus. Ça, ça, ça, il faut, il faut être mhm. clair. C'est pas que, en fait, ces députés vont changer grand chose. Il faut rien changer comme mhm. euh, grand chose. Donc, ceux qui seront élus, et vous pensez qu'ils vont faire un peu le feedback C'est mhm. utile comme ça parce que aujourd'hui, c'est, les, les Nigériens de la diaspora ont besoin d'être informés de tout ce qui se passe ici au Niger. On ne peut pas être là-bas et être informé par les réseaux sociaux. Parce que là, nous sommes déjà dans une situation d'insécurité. Nous sommes déjà dans une situation où on parle de malgouvernance, mm. on parle de corruption. Il y a tellement de choses que eux aussi, ils ont besoin de découvrir. Mm. Mais quand vous écoutez la diaspora, euh, les Nigériens qui sont à l'extérieur, quand vous les écoutez sur, à travers les réseaux sociaux, à travers des, des, messages, euh, des, messages en tout cas, va Va-t'en guerre, mm. donc tu te demandes, est-ce que véritablement, ces Nigériens sont informés de ce qui se passe ici au Niger. Donc avec ces élections partielles, je sais que ça va contribuer à améliorer la situation. c'est un souci pour moi. Mhm. C'est vraiment l'information. Mhm. Ça, c'est un souci pour moi. En dehors de ça, en dehors de ça, moi, je pense que c'est pas pour venir arranger grand chose mhm. parce qu'ils l'ont déjà dit c'est juste se conformer, venir également être, euh, euh, euh, revenir, venir s'asseoir, prendre les sous, repartir. Bon, il n'y a rien d'action peut-être qu'ils peuvent amener qui va encore changer. Quand mhm. des oui, et Issa Vous voyez pourquoi les gens ne s'intéressent même pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un enjeu, un véritable enjeu politique derrière ces élections. La majorité présidentielle est confortée dans sa majorité. Ils ont une grande majorité. Ça ne va pas changer grand-chose. Mm-hmm. Même si c'est l'opposition qui gagne euh, les cinq sièges, ça ne va pas changer la donne mm-hmm. de toutes les façons. Pour la majorité Non, c'est la mm-hmm. majorité reste elle est consolidée. comme leur slogan, ils consolident, ils avancent. Il n'y a pas, a pas grand-chose à espérer de ça. Mais ce que moi j'ai dit euh, tout à l'heure, euh, il faut aussi que euh, on sent la participation euh, euh, de la, diaspora, mm-hmm. dans la marche du pays. Mm-hmm. Pas cette diaspora qui nous appelle à, brûler les stations ici à Niamey. En cas de petit souci, c'est des messages de haine. Mm-hmm. C'est nous, nous, nous, on est en train de vivre ici au, Niger. On va pas brûler ce pays. Donc c'est eux aussi qui sont responsables dans ce qu'ils sont en train de faire. La représentativité aujourd'hui, tout le monde dit que informer comment, mais ça va être difficile, Maïmouna. Parce que, est-ce qu'il y a cette redevabilité des élus envers les Parce qu'aujourd'hui même, c'est les listes qu'on a validées. Le véritable problème qui se pose, c'est parce qu'on ne vote pas des, gens nommément. Parce qu'on vote des listes. Et mm. quand il y a un cas de problème, il faut refaire, il faut faire à l'échelle de la circonscription. Donc ça va être un problème de le faire. On a vu ses limites, mais vous pouvez vous, pouvez pas parler de redevabilité que les gens parlent. par exemple, on donne un exemple banal de de la, de la région de Tilaberi. On, on dit une formation politique euh, à, X, à tel nombre, à, à cinq députés. Mhm. Et ces cinq députés, ils les prennent dans des localités où, qui ne sont pas concernées par les... Est-ce que le monsieur qui a été choisi pour aller à l'Assemblée nationale, il se sent redevable envers les communautés qui ont amené plus de voix Il y en a, moi, j'ai vu une commune ici, à Vertera, ils disent qu'ils ont élu pour une formation politique euh, un député. Mais la personne que le parti a envoyée siéger à l'Assemblée n'est pas de leur localité. Et ils ne se sentent pas vraiment concernés, par, les agissements de, l'élu. Parce que vous ne pouvez pas être représentant euh, du peuple et on sent dans vos actions que vous n'êtes pas là pour protéger. Mm-hmm. Moi, personnellement, je n'ai pas voté pour les législatives mm-hmm. parce que je ne me sens pas concerné. Parce que du moment où j'ai vu dans ce pays des députés, au nom d'une coloration politique, ont pu voter une loi d'interception des communications électroniques qui peut être dangereuse pour tout le monde, qui astreint les libertés de tout citoyens, sans pour autant parce qu'on est juste dans une donc il faut il faut que les gens soient un peu triples il faut demander des choses il faut qu'il y ait une profonde eh, mutation et des réformes au sein du système électoral nigérien. Si on veut vraiment arriver à avoir des élus qui sont redevables envers leurs électeurs, il faut qu'il y ait des réformes. Il faut carrément changer le mode. des listes, mais très souvent, c'est au niveau du Conseil national de dialogue politique que c'est discuté. Le Conseil national de dialogue politique a été perverti. Ce n'est pas mhm. ça, c'est des groupes de partis qui se retrouvent là-bas en FADA pour discuter de leurs propres intérêts. Sont directement concernés dialogue politique, et normalement, ça est de faire ces propositions, sinon ça ne passe pas. L'idée est bonne. Mhm l'idée, est, elle est géniale. Mhm. L'idée, elle est louable. Mais est-ce que réellement c'est ce qu'ils devront faire qu'ils sont en train de faire à travers le dialogue politique C'est juste une fada où les politiciens se décident pour se concerter par rapport à leurs propres intérêts, mais pas aux intérêts du peuple nigérien. Si c'est des choses comme ça que tout le monde est au courant de ça, qui ne va pas changer la donne. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Nigérien dont il a besoin L'électeur nigérien a besoin que quand il vote sur sa voix, qu'il donne sa voix à quelqu'un, à une formation politique, et que la personne à qui il a donné sa voix, que cette personne puisse valablement défendre ses intérêts et œuvrer, participer à, son épanouissement, faire en sorte que sa voix puisse être entendue dans la marche du pays. Mmh. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la marche du pays de, de ces électeurs Les gens sont là, les gens pensent que c'est parce que je ne suis, je suis de telle mmh. formation bord politique que je dois faire ceci et de cela. Mais souvent, que ce soit l'opposition et la majorité. Mhm. Souvent, la majorité, les gens font du vote mécanique. L'opposition pense que c'est parce qu'on est opposant qu'on doit critiquer toujours. Mhm. Mais critiquer pour critiquer tant pour avoir donné des propositions efficientes, moi, je, efficient du monde, je pense qu'il y a un véritable problème mhm. de ce quoi même le rôle d'être élu. En, ce pays-là, c'est un laboratoire de renforcement de capacité. Mais au sortir de ces renforcements de capacité, on ne sent pas une certaine appropriation des connaissances acquises. Et c'est l'une des problématiques aujourd'hui qui mine aujourd'hui la marche de ce pays. Il faut que les gens soient redevables envers ceux qui ont voulu faire ce déplacement. Parce que vous le savez, que ce soit en élection, euh, les gens font des kilomètres, ils abandonnent leurs activités mhm. de survie pour aller voter. Nous allons donc euh, passer au deuxième euh, sujet du forum de la presse euh, de ce soir. Bola Ahmed Tinubu a officiellement prêté serment lundi dernier en tant que nouveau président de la République fédérale du Nigeria. Ancien gouverneur de l'État de Lagos et ancien président du parti Congrès des progressistes, Bola Ahmed Tinubu, 71 ans, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 25 euh, février avec euh, près de 9 millions de suffrages contre 7 millions pour euh, le candidat de l'opposition Abubakar Atikou. Abubakar Atikou qui avait d'ailleurs contesté ces élections et ils ont ensemble donc avec l'autre opposant Peter Obi décidé d'attaquer Nissa, Quelle analyse faites-vous de cette investiture euh, de Bola Ahmed Tinubu, l'actuel euh, président de la République fédérale euh, du Nigeria ben, À partir du moment où il y a eu l'investiture, je pense que la page est tournée. Hein. Mm. Ça veut dire les recours introduits par les deux candidats malheureux, je ne pense pas que ces recours-là puissent aboutir. Mhm. On a vu un peu les images, comment ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de chefs d'État qui se sont rendus. Mais ce que j'ai apprécié, bon, je ne dis pas que les élections ont été très propres, transparentes sur toute la ligne. Hein. Mhm. On a vu des scènes de violence et tout et tout ici et là dans des localités. En Afrique, quand il y a des élections, le plus souvent, c'est des choses comme ça. C'est mhm. inévitable. Mais ce que j'ai apprécié dans leur façon de faire, c'est que, bon, on a constaté que, bon, d'accord, euh, comment il s'appelle, le président Soctan, n'est-ce pas et comment il s'appelle Boy, quand il a fini, il a préféré s'est retiré. Mhm il était à l'investiture. Juste après, il a pris son avion pour rentrer mhm. chez lui dans, sa région. Ces images ont circulé, <laughs> sur, les, réseaux, sociaux. Moi, c'est mhm. ce que je trouve très beau. Parce que, mhm. bon, il n'est pas resté, il pouvait rester pour vouloir continuer, mais il a estimé que il va se retirer de la scène pour permettre à l'autre, ils sont du même bord politique, mais il va se retirer pour lui permettre de faire son travail. N'est-ce pas et c'est ça qui est bien, à mon sens. Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mhm. Maintenant, c'est sûr que, comme euh, de la façon dont, euh, il, euh, comment dire, on dit qu'il a bien travaillé en tant que, comment dirais-je, gouverneur de, de, Lagos, il a bien travaillé. On a vu ce qu'il a pu faire, n'est-ce pas Il a mhm. modernisé la ville. Il a créé les conditions, en, fait, au niveau de cet État-là, d'un certain boom économique. Mhm. On espère qu'il pourra réaliser les mêmes prouesses à l'échelle euh, vraiment nationale, mhm. euh, à l'échelle fédérale. C'est ça le souhait. Et je pense que quand on voit un peu son parcours, on se dit que c'est quelqu'un qui, a quand même euh, des ambitions. Mhm. Il ne les a pas cachées, il a des ambitions pour faire changer les choses pour booster davantage l'économie du, Nigeria. Mhm. Et je pense que c'est, ça, c'est une bonne chose et c'est sûr qu'il va réaliser des choses qui vont être appréciées. Mais pour l'instant, on va se contenter de dire que bon, le passage est assuré, mhm. n'est-ce pas, avec euh, l'investiture. Maintenant, il, va s'investir pour pouvoir, euh, comment veux je dire, concrétiser ce qu'il a Avancé ou du moins sur le programme qu'il a vendu au Nigeria, mhm. qui, le programme sur la base sur, la base duquel les Nigériens mhm. l'ont voté. Le développement socio-économique sur tous les plans, mais il a annoncé déjà à l'investiture qu'il décide euh, d'arrêter les subventions accordées au carburant et c'est ainsi qu'on a trouvé que le carburant a connu une hausse. Euh, le, prix a plus que doublé. Il y a d'autres mécanismes en place. Mhm. Quand il dit il va peut-être retirer, c'est une annonce. Il dit qu'il va. C'est déjà, fait, puisque sur le marché au Nigeria, le carburant coûtait environ 200 naira le litre, soit moins de 300 francs. Mais à l'heure actuelle, au Nigeria, le carburant coûte plus de 500 naira, soit plus de 600 voire 700 francs. bien évidemment, mhm. parce que vous avez le problème du carburant au Nigeria, c'est lié à un mhm. problème mm a c'est géré de manière opaque. Mmh. C'est géré de manière très opaque. Sinon, le Niger fait partie des grands producteurs de, pétrole en Afrique. Mmh. C'est l'un des grands producteurs. Voilà. Mmh. Si, si, maintenant c'est organisé, s'il arrive à mettre un mécanisme pour pouvoir organiser ça, je pense que ça peut se gérer. Mmh. Maintenant, s'il n'arrive pas à mettre un mécanisme, ce qui est sûr, c'est que ça va être très dur. Et quand on connaît un peu, c'est un pays où les gens, souvent, ils basculent rapidement dans la violence il, va, il va falloir s'attendre, on va s'attendre à ces scènes de violence par mhm. rapport à cette augmentation-là. Mais moi, je me dis, mhm. il, a, il a certainement des mécanismes qu'il va mettre en place mhm. pour pouvoir un peu contenir un peu cette, euh, cette, euh, cette inflation-là. Merci beaucoup, Maïmoun Gado. Quels sont les grands défis euh, que le nouveau président Ahmed Tinubu est appelé à relever Les défis sont énormes. Parce que d'abord, il faut parler. Le premier défi, c'est l'insécurité. Mhm. C'est l'insécurité avec Boko Haram, c'est vrai, son prédécesseur en a fait beaucoup. Mhm. Mais jusque-là, euh, il y a cette euh, situation d'insécurité qui fait en sorte que dans certaines zones euh, du Nigeria, mhm. pratiquement, il n'est pas permis même de pratiquer les activités, euh, les Nigériens n'ont pas, en tout cas, euh, ils ne peuvent pas pratiquer ce qu'ils veulent faire mhm. comme activité. Parce que c'est des fois, c'est des régions qu'ils n'arrivent même pas à contrôler mhm. et qui tombent dans les mains donc de ces Boko Haram. Mhm. Et deuxièmement, c'est la stabilité économique. Il faut également qu'ils euh, euh, qu'il ramène cette stabilité économique au niveau donc euh, du Nigeria, parce que avant la manière dont euh, on voyait plutôt le Nigeria, et quand on regarde aujourd'hui en termes de stabilité économique, c'est totalement différent. Mm. Et également euh, faire en sorte que aujourd'hui aller dans le sens de maintenir cette cohésion, la cohésion sociale et la cohésion entre euh, justement les, euh, la cohésion entre, euh, je voudrais dire, interreligieux, mm-hmm. C'est très important. La coexistence pacifique. Oui, pacifique, interreligieux, oui, c'est mhm. très, très important aussi. Mhm. Et également, comme euh, moi j'aurais bien voulu que, c'est vrai, il a annoncé, mais qu'il devrait peut-être euh, non pas agir vite, mhm. euh, l'histoire donc du, carburant, laisser au moins qu'il puisse s'installer convenablement et, laisser les Nigériens un peu en profiter pour pouvoir lancer cette situation. Parce que, NPC, selon la NNPC, qui est la société euh, pétrolière, euh, c'est mm. que le gouvernement s'était beaucoup endetté. Il y a eu jusqu'à environ 6 milliards d'euros. Donc en France, CFA, ça peut aller jusqu'à 3 000 milliards de France CFA et que selon lui, c'était pas conforme en fait. Euh, il n'y avait pas de base euh, juridique solide. Même si c'était pas conforme, au moins ça n'avait pas voulu faire ça peut-être pour ne pas avoir une mauvaise image. Voilà, mais, mais, dès à l'investiture, mm. et on se retrouve le lendemain avec euh, cette histoire de carburant qui a augmenté. Mm. <laughs> Mais c'est, moi je me dis que c'est trop tôt. C'est mm. trop tôt en tout cas. Et peut-être, comme l'a dit Ousseini, il a d'autres mesures pour pouvoir en tout cas permettre donc euh, euh, à ces populations au Nigeria euh, de ne pas ressentir mhm. totalement, en tout cas, cette situation d'augmentation du host sur le carburant. Mhm. Mais tout ce que moi je pourrais souhaiter, c'est que vraiment, il faut d'abord qu'ils commencent sérieusement à, finir avec cette insécurité. Mhm, il faut finir avec, euh, cette, insécurité. C'est d'un intérêt important d'ailleurs euh, pour les deux pays. Issa Madougou, aussi, euh, par rapport à cette coopération entre le Niger et le Nigeria, qu'est-ce qu'il faut souhaiter avec le nouveau président Ahmed Tinubu Ahmed <coughs> Merci beaucoup. moi, je pense que avant de de répondre à votre question qu'aujourd'hui, il y a, moi à mon avis, il y a trois défis pour le président Tinubu. Mhm. Il y a le défi d'abord sur le plan économique parce qu'il mhm. que il faut dire qu'il a hérité d'une situation économique très chaotique mhm. avec beaucoup de dettes. Donc, il doit trouver il faut redresser l'économie. Il faut redresser l'économie. Hein, parce qu'il faut aussi ne pas oublier perdre de vue tout récemment, même avec les élections, l'introduction des nouveaux billets. Qu'est-ce que ça a provoqué dans le, dans le pays. Aujourd'hui, le Nigeria était, avant même l'arrivée, parce que Buhari a fait 8 ans, mais selon les analystes, ils disent que Buhari avait vraiment tué l'économie parce qu'il y avait un certain dynamisme économique. Mais comme les mesures, toutes les mesures que Buhari a eu à prendre n'ont pas permis à ce que l'économie puisse continuer cette, cette, dynamique. Même la subvention du carburant, la subvention du carburant a été actuellement. La subvention du mhm. carburant a été toujours décriée. Mhm. Depuis 2012. il y a même des soutiens de mhm. Boari qui ont demandé à maintes reprises l'arrêt de cette subvention parce que l'endettement du pays, le Nigeria ne peut qui fait face à plusieurs défis, le Nigeria ne peut pas continuer à subventionner. Il y a un autre défi, le défi de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le Nigeria a une grande quantité de jeunes qu'il faut absorber à travers la formation mhm. et l'emploi. C'est la plus grande euh, population d'Afrique. Plus Tout à fait. Il y a aussi le dernier défi, c'est le mhm. défi sécuritaire, parce que il faut pas perdre de vue que au-delà de Boko Haram, ce qu'on connaît, mhm. euh, les agissements de ce groupe armé, il y a une industrie d'enlèvement qui s'est beaucoup développée au Nigeria. Vous l'avez vu il y a quelques mois de cela que le train express même qui quittait Abuja pour Kaduna n'était pas à l'abri, a été l'objet d'attaque. Mhm. On avait attaqué. Donc il y avait, quand on prend l'état des enfants aujourd'hui, vous avez, quand vous séjournez par exemple, même ceux qui sont les autochtones, une probabilité de 50% d'être enlevés et qu'on demande Et cette insécurité touche le centre nord, euh, le centre est et le centre ouest. Donc il faudrait que euh, qu'on trouve un mécanisme aujourd'hui pour mm. vraiment juguler cette, euh, cette problématique sécuritaire qui aujourd'hui a fortement influé sur la mobilité des mm. personnes et des biens au sein du pays. Mm. Donc moi je pense que ce sont les trois défis qu'il faut relever. Maintenant, qu'est-ce que pour nous en tant que Nigériens on peut espérer de ce nouveau Peut-être on peut dire que qu'il y ait vraiment euh, une franche collaboration mhm. euh, dans le domaine sécuritaire, surtout dans le bassin du lac Tchad, quand nous on connaît ce que font réellement le travail énorme abattu par nos forces de défense et de sécurité mhm. pour juguler ce problème sécuritaire dans le lac Tchad. Que le Nigeria également puisse aujourd'hui créer les conditions pour le retour de leurs réfugiés euh, qui sont sur le territoire nigérien. Mhm. Donc pour le cas des réfugiés, il y a eu combien de les Nigériens ont promis de créer les conditions, ce que les gens retrouvent ce jeu. Mm. Parce que si nous arrivons à ce que les gens retrouvent un peu de dignité, à reprendre le cours normal de leur vie, ça peut permettre à ce que. Mais si on n'a pas cette volonté de la manière dont nous, on voit dans notre pays, et les, les, FTS avec le concours des autorités, de travail qui sont en train d'abattre dans le lac Tchad, si on a cette réprocité au niveau du Nigeria, je pense que ça peut arranger les choses on peut espérer un lendemain meilleur. Au-delà de ça aussi, on a vu les mesures drastiques de fermeture de, euh, de la frontière avec euh, l'époque Bouhari. Mm-hmm. Eh, si aujourd'hui, euh, <laughs> oui. si aujourd'hui avec le régime, près de 1500 km. Hein. Mm-hmm. Avec le régime de Tinubu, on peut redynamiser les échanges frontaliers, on peut redynamiser les, activités économiques entre nos deux pays, mm-hmm. à ce que aujourd'hui, y compris le gouvernement, y compris les acteurs économiques puissent s'en sortir. Mais je crains fort qu'il y ait un véritable changement dans ça. Parce que dans les élections, quand si vous avez suivi de près, moi je n'ai pas vu vraiment un programme novateur que nous propose au Nigeria. C'est juste une envie que c'est mon temps de gouverner parce que j'étais faiseur de roi qui était là. Mais je ne crois pas réellement à une profonde mutation ou bien un changement qualitatif qui puisse avoir un impact de notre côté, que ce soit du sur le plan économique ou bien le plan euh, sécuritaire je ne le vois pas. Parce que Tinubu, c'est vrai, les gens disent qu'il a travaillé, mais les époques ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, même les défis environnementaux. Le Nigeria fait face à une certaine vague d'inondations depuis certaines années. Qu'il y ait une population victime qu'il faut prendre en charge. Les défis ne sont pas les mêmes. Et il a géré à l'échelle d'un État. Ici, c'est un fédéral. C'est une nation fédérale qu'il y a. Donc c'est plusieurs nations. Donc les, les, temps, les temps ne sont pas les mêmes, même s'il a eu à faire des miracles à Lagos. Aujourd'hui, avec les défis contemporains que nous avons, je pense que ça ne va pas être non, il y a, ça va pas être avec une baguette, baguette magique qui va changer les choses. Merci infiniment euh, pour cette euh, analyse. Euh, merci beaucoup. Nous allons terminer donc avec de la religion les groupes euh, d'agences euh, prévus pour le premier tour du convoyage des pèlerins à la Mecque euh, pour le pèlerinage édition 2023 ont été annoncés par le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Omra Koho. Ainsi, le premier vol est prévu pour le samedi 3 juin 2023 avec des pèlerins de l'agence de voyage Almanasik. Ça va être donc euh, la compagnie aérienne de transport euh, Max Air. Les programmations de vol vont se poursuivre jusqu'au 22 juin prochain avec euh, au total trois compagnies en lice pour le convoyage des pèlerins. Il s'agit de Flyness Max Air et Ethiopian Airlines. Nissa, euh, quelle analyse euh, par rapport au préparatif euh, du Hajj édition 2023 Les pèlerins sont-ils optimistes par rapport à tout ce qui est en train de se passer Optimisme, on va voir. Parce que vous savez, le véritable problème du Hajj dans notre pays pendant pratiquement plus d'une décennie, c'est le transport. Mhm n'est-ce pas Bon, il y a un peu d'optimisme parce que quand j'ai entendu le nom de la compagnie éthiopienne, je me dis, mhm. au moins c'est une compagnie qui est sérieuse. Au moins, mhm. Almanacic, euh, ou c'était euh, Fly, ça aussi c'est une compagnie saoudienne, oui, oui. Mhm. Mais quand on me dit Maxer, alors, alors, Maxer est toujours là. L'année dernière, Maxer a posé beaucoup de problèmes avec, euh, comment vais-je dire, on a vu, c'est précisément à la dernière minute qu'on a avait peut-être beaucoup misé sur lui, mais cette année. cette année, heureusement qu'il a accompagné. Oui, mais parce que chaque année, on a euh. fait en sorte que ce soit lui mm-hmm. qui prenne tout. Mais heureusement, cette année, il y a eu cette clairvoyance pour pouvoir mettre mm-hmm. deux autres compagnies. Parce que Ethiopian, quand même, c'est une compagnie qui, est une des plus grandes compagnies sur le continent africain qui concurrence même les, compagnies, les compagnies occidentales, mm. n'est-ce pas Ça veut dire à ce niveau, il n'y a pas de problème. Euh, on peut espérer que les pèlerins vont aller mhm. dans, euh, dans, les, délais, dans les délais requis, n'est-ce pas on peut, on peut vraiment espérer avec les deux compagnies, comment les deux compagnies euh, étrangères, parce que Max c'est une compagnie locale, par, procuration. <laughs> non, mais je vais dire. Mais alors, oui bien sûr. Mais maintenant, si ça se déroule bien comme prévu, selon la programmation, comme vous dites, c'est le 3, le premier vol va, jusqu'au 22, je me dis, Alhamdulillah. Mhm. Jusqu'au 22, Alhamdulillah, ici on peut acheminer. Et le retour aussi, qu'on crée les conditions pour que les pèlerins, mhm. après le, le après le rite, soient restés bloqués là-bas. Mhm. Ça aussi, c'est un autre défi. Maintenant, on va attendre de voir avant d'apprécier si les choses telles que prévues vont se dérouler mhm. comme c'est prévu. Mhm. On ne peut pas présager qu'il n'y aura pas de problème en cours de route, mhm. n'est-ce pas pour le moment, c'est vrai, c'est des programmations. Oui, c'est des programmations. On ne peut pas savoir ce qui va se passer par la suite, n'est-ce pas Rappelons que le quota accordé à l'État du Niger par le Royaume d'Arabie Saoudite pour ce Hajj 2023 est de 15 891 pèlerins le... Oui, bien sûr, puisque cette année, l'année passée, il y a eu des restrictions, puisque c'était seulement 7000 pèlerins comme quota. Et il y avait beaucoup, euh, bien sûr, et même au niveau de l'Arabie saoudite, il y a eu des nouvelles euh, mesures euh, pour que le Hajj soit beaucoup plus facilité à tout le monde au niveau des pays. Ils ont fait des réaménagements à leur niveau. Il faut rappeler que le tarif de ce Hajj, initialement arrêté à 3 603 840 francs a été ramené à 3 258 733 francs CFA. Mais Diado, quelle est l'appréciation globale que l'opinion publique euh, fait par rapport euh, à ces préparatifs euh, du Hajj 2023 la, la, L'appréciation globale, moi je donne d'abord mon appréciation parce que l'appréciation globale, je ne pourrais pas le dire euh, pour tous les Nigériens. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord se réjouir que ce ne soit pas une seule compagnie qui va, en tout cas, mhm. euh, amener les les pèlerins. Les 15 000. c'est vrai que tous les 15 000 ne vont pas par vol chaque heure. Il y a 2 000 et quelques qui prennent euh, des vols réguliers. donc, en tout cas, on a beaucoup qui. Deuxièmement, c'est la diminution au niveau donc euh, euh, du billet. Mhm. Même que c'est vrai, 3 millions, ramenés à 3 millions 200 000 aussi, c'est pas donné à n'importe qui aujourd'hui, hein, mhm. de voyager, d'aller, en tout cas au niveau donc de la Mecque. L'année passée également, c'était 3,2 millions. Oui, oui, mhm. c'est pour dire qu'on est jusque-là dans les fourchettes de 3 millions. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a également, il faut étudier mhm. sérieusement le prix. Sérieusement, il faut que l'État du Niger, l'Arabie Saoudite, qu'on puisse voir comment est-ce qu'il faut faire hein, parce que le billet est trop cher et je me dis que à cause de ce billet là il y a d'autres qui ah, oui oui il y a l'hébergement et tout bon la prise en charge dedans mhm. c'est le plafond oui c'est ça le plafond les 3,2 millions mais mhm. je pense que <laughs> elle va elle va tenir, elle va donc, tenir rapidement mhm. donc, en fait c'est dire que jusque là on n'est pas sorti de l'auberge parce que il faut pas trop s'en réjouir il faut d'abord voir les premiers pèlerins fouler le sol <laughs> de l'Arabie saoudite pour pouvoir et de voir dans quelles conditions ils ont été d'abord acheminés et dans quelles conditions ces pèlerins-là, les 15 000 là, vont pouvoir effectuer le Hajj mhm. proprement dit, mhm. les rites du Hajj proprement dit. Donc, il ne faut pas s'en réjouir on, on, croise les droits. Les, il faut les, attendre on, oui, oui, on, croise, on croise, les droits pour, que ça puisse en tout cas se mhm. passer dans de très bonnes conditions. C'est vrai, parce que l'année passée, il y a eu des inquiétudes, puisqu'il y a certains rites. C'est vrai que déjà vers euh, le début du mois de il y avait déjà des, mais les gens souhaitaient être en Arabie Saoudite beaucoup plus tôt. Mais si on vous a bien compris, donc, s'en euh, va Issa pour terminer, selon vous, quelles sont les grandes attentes euh, par rapport à l'organisation de ce Hajj 2023 ben moi je pense que c'est que j'ai vu, je vu un peu quelques activités du Coro mhm. que j'ai vraiment apprécié. Je pense que l'équipe dirigeante euh, a pu vraiment apprendre la leçon mhm. des éditions antérieures. Les manquements ont été pris en compte. Parce que je, c'est mon avis. Parce que mhm. j'ai vu déjà et il y a un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Euh, le fait d'homologuer les encadreurs. Sur 500, ils ont pris 340. Et moi, je pense que... On ne se lève plus comme ça pour aller dire on est encadreur. Que, Tout ça, vous trouvez que c'est une bonne chose. <laughs> C'est une bonne les chose. Les autres attentes, on me dit que nous sommes... Euh, oui, je pense que c'est une bonne chose. Mhm. Maintenant, c'est un défi également pour l'équipe dirigeante euh, du Coho pour que les gens, les Nigériens ne revivent pas les mêmes situations de désolation. Vous mhm. payez votre, vos billets et vos, vos frais et vous ne puissiez pas partir. Mais aussi ça, ça relève aussi des de, notre dimension. Mhm. Mais quand, <clears throat> pour finir, quand euh, la grande sœur Maimoune dit qu'il faut revoir le prix, euh, moi je pense que également ça c'est aussi c'est un autre débat. Peut-être l'État peut subventionner le parti. C'est vrai, c'est un autre débat parce qu'il a été dit, par exemple, l'État a expliqué qu'il y a des pays où ça coûte moins cher, mais c'est subventionné. subventionné. L'État peut subventionner. Mais il ne faudrait pas oublier qu'à côté du pérennage, il y a une activité libérale qui est exercée par les agences de voyage. Mhm. Donc, l'État également devrait voir de ce côté pour avoir appuyé ces agences euh, euh, par l'allègement de certaines taxes, peut-être que cela on peut espérer. Mhm. Mais quand donc alléger les taxes, cela pourrait euh, permettre le, voyage pour la terre est, conditionné. C'est bien conditionné pour le, cinquième pilier de l'islam. Non, c'est bien conditionné. Parce que y a, justement. il y a des obligations, il y a des choses que si vous ne pas, mhm. vraiment, ce n'est pas une obligation pour vous d'aller au mhm. Hajj. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. On vous Moi, je pense qu'on va croiser les bras. Euh, on espère que l'équipe actuelle du Coho va prendre les dispositions nécessaires afin que les Nigériens puissent vraiment effectuer un âge dans des bonnes conditions, à l'image des autres pays où on voit vraiment une organisation extraordinaire et on a besoin de ce genre d'organisation dans nos pays. On pense qu'ils ont assez d'expérience aujourd'hui. Il suffit seulement de mettre un peu de sérieux et de, de croire en ce qu'ils sont en train de faire et de le faire vraiment au nom euh, dans d'Allah, notre Créateur, parce que c'est le Hajj, ce n'est pas de notre ressort. Mhm. Parce que c'est vraiment quelque chose de divin et on ne mhm. peut pas commercialiser la foi. Ça ne doit pas être du business, on vous a bien compris. C'est un appel que vous lancez en même temps. Il faut rappeler que cette euh, année, les importants rites du Hajj vont donc euh, se dérouler vers la dernière décade de ce mois de juin 2023. Et c'est ici que se referme le forum de la presse euh, de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités Issa Madougou, journaliste indépendant, Hussein Issa, journaliste euh, indépendant et Maïmoune Gado, journaliste euh, indépendante également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Déjus. J'ai été assisté par une équipe technique composée de Amina Hassan et Issa Laoli. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et bon week-end. Au revoir.